d'ailleurs en profiter pour rendre un hommage très appuyé à un grand commis d'État, une sommité de la République, cet homme exemplaire au riche parcours que j'ai l'honneur de côtoyer ici, j'ai nommé le président Mambouna Massal, président du conseil d'administration. Et effectivement, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne ménage aucun effort pour le rayonnement de ce floron est la SICAP. Je compte donc avec vous achever et livrer dans les meilleurs délais les chantiers à clôturer que sont SICAP, Kurgorgi, Kermassar et Mbao Villeneuve, entre autres. Je compte encore avec vous accélérer le rythme de chantiers en cours que sont SICAP Lacrose et Grand Bao, entre autres. Et je compte enfin avec vous démarrer les nouveaux chantiers que sont SICAP Dias, Liberté 3, ainsi que le programme spécial SICAP, terrain viabilisé à bâtir, autrement dit TVB. Il s'agit naturellement pour nous de nous inscrire dans le sillage de ce grand programme de production de 100 000 logements sociaux initié par le gouvernement du Sénégal. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que demain, 27 décembre 2019, à 10h, nous aurons l'honneur de recevoir ici, dans l'enceinte de la SICAP, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, M. Abdou Karim Fofana. Je vous invite donc à lui accorder le meilleur accueil digne de son rang. L'honneur nous est fait en effet d'abriter la réunion qui, sous sa présidence, doit aborder la question de l'implication spéciale des promoteurs immobiliers publics au programme des 100 000 logements. Je propose qu'avant le démarrage de cette rencontre importante, à laquelle assistera mon collègue de la SNHLM, qu'il lui soit donné l'occasion, qu'il soit donné en tout cas l'occasion au personnel de communier avec l'autorité au niveau de la salle de conseil. Je vous dis à la fin de tout ça, personnel de la CICAP, osez libérer vos énergies. J'en arrive à la partie des remerciements et vœux que je formule pour l'année 2020. Un grand merci à l'amicale, la sécurité, mais aussi les artistes qui doivent se produire et qui sont présents ici, je crois. Et tout le monde ne sait pas que je suis fan de Viviane et de Bastion d'ailleurs, mais je salue particulièrement Viviane parce que je sais qu'elle a dit des mots très aimables il y a quelques jours dans ma région de Tambacounda où elle était de passage. Mais c'est compte tenu effectivement de nos rapports très particuliers. Donc, euh, merci aux invités et au public venus nombreux assister et participer avec joie et plaisir à ces moments de réjouissance à l'endroit de toutes et de tous, nous formulons à vous et vos familles des voeux de santé, de succès croissant dans toutes les entreprises, en particulier aux enfants, filles et garçons, auxquels nous disons bonne fête de fin d'année. Aux enfants du personnel de la SICAP, soyez fiers de vos valeureux parents, qui sont d'exemplaires patriotes sur lesquels vous devez prendre exemple et vous inspirer. Je vous exhorte à préserver dans la voie de l'excellence et à toujours vous surpasser pour être les meilleurs à l'école. Vive la SICAP, vive le Sénégal, devenez et à l'année prochaine. waaw maa ko fekkee woon parce que ma trip avion bu nekk maa ko doon